Chers auditeurs, auditrices de Studio Kalangou, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro du Forum de Studio Kalangou. Dans un foyer, les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, ils exercent l'autorité parentale et assument les tâches qui en découlent. Les époux contribuent aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives. Chaque époux peut s'acquitter de sa contribution par son activité au foyer. Mais à qui incombe réellement la responsabilité de gérer le foyer, c'est le thème de ce forum. Alors, pour débattre de cette thématique, nous recevons dans ce studio Oustaz Mustafa Ahmoudou, il est président de l'association islamique Fawzia, bonsoir. Bonsoir, madame. Monsieur Alou Aye, il est sociologue, bonsoir. Bonsoir, madame. Chombiano Aristide, sociologue également, il représente euh, l'ONG Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales, bonsoir. Bonsoir, madame. À la modération, je suis une fille Adam Sifou. Bonjour à tous et merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangu qui sont relayés via notre réseau de 52 radios et 7 télévisions partenaires dans tout le Niger à qui incombe la responsabilité de gérer le foyer, c'est le thème du forum de ce jour. Avant d'entamer les discussions, je vous propose d'écouter les réponses d'un père de famille et une femme au foyer que nous avons interviewé sur la question. On les écoute. Je pense que la gérance du foyer revient à l'homme. Et maintenant, la femme peut vraiment intervenir comme une complémentarité. Et, je pense que de l'autre sens aussi, on peut parler de la gérance à deux. chacun met du sien pour vraiment faire évoluer la famille. Et quand je dis ça, chacun met le sien, ça veut dire que la femme aussi doit contribuer dans cette gérance parce que c'est elle euh, le cerveau de la famille, le tuyau de la famille. Et si le papa n'est pas là, c'est la maman qui prendra la relève euh, pour vraiment assurer une bonne éducation à ses enfants. Bon, moi je pense que euh, on aime la vie, la gestion d'abord de, la famille, elle est combat à long. C'est lui le premier responsable de la famille, parce que c'est lui qui doit pourvoir aux besoins de cette famille, en matière d'alimentation, en matière vestimentaire, en matière de santé, en matière de, de toiture aussi, c'est-à-dire la maison dans laquelle la famille doit se trouver, et tous les autres éléments nécessaires à la vie. C'est l'homme qui doit être au devant de, de cela. Maintenant, il y a aussi d'autres aspects, tels que l'éducation des enfants, tels que aussi la, euh, l'éducation des enfants, mais aussi voir comment est-ce que instaurer une confiance dans la famille, c'est-à-dire la confiance même entre lui et la, et la mère, et aussi la confiance entre lui et les enfants. Donc tout cela, c'est vraiment euh, l'harmonie de la maison, elle comme vraiment d'abord à l'homme. Cette responsabilité est aussi partagée, parce que la femme aussi a un rôle à jouer dans la gestion de la famille, elle a un rôle à jouer dans l'éducation des enfants, elle a un rôle à jouer dans la gestion économique même de, ce que l'homme rapporte à la maison. Elle est aussi garante d'une certaine façon de l'harmonie, de la quiétude et de la bonne ambiance dans la famille. Donc elle a aussi un rôle assez important, très important euh, dans la famille, peut-être même qui est un peu primordial. Parce que si euh, d'aventure une femme ne, ne fait pas tout ce qui doit être fait pour garantir cette harmonie, cette entente, cette convivialité dans la maison, donc l'homme sera même incapable d'assumer les autres tâches. <laughs> Ça, c'est aussi euh, un autre aspect dont on peut peut-être tenir compte, euh, c'est-à-dire la, responsabilité, elle est partagée euh, de l'un comme de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de la femme, comme du côté de, l'homme. Vous venez là donc euh, d'écouter des avis de, des pères euh, et femmes euh, au foyer. alors je commence par vous, Staz Mustafa Ahmoudou, président de l'association Fawzia, Et à travers les réactions de ces personnes interrogées, la première responsabilité de gérer le foyer revient à l'homme. Alors que dit la religion musulmane sur la question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 c'est un contrat qui n'est pas n'importe quel contrat. Donc c'est la base de ce contrat-là. On parle de hein. mariage. Ici, on parle de mariage. C'est une cohabitation réglementée, civile mhm. suivie et, ordonnée par la loi islamique. Mhm. dès l'institution donc du mariage, dirais-je, Allah a dit dans, le verset, dans un verset du Saint-Coran, ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة و... لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة Allah a dit, j'explique effectivement, hmm. Allah a dit que euh, parmi ces signes, lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé pour vous, de vous et pour vous, de vous oui. et pour vous des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Mm -hmm. Vous leur assurez les, soins possibles, l'alimentation possible, l'affection qu'elle désire, mhm. pour que vous viviez en tranquillité avec elle. Ça veut dire qu'on a créé les femmes à partir de l'homme. De l'homme. Et, pour lui qu'on a créé ça. Et donc il a la, le Lui appartient. Oui, oui. Pour que vous viviez avec elle dans la tranquillité, dans l'amour, mhm. dans, dans le respect mutuel. Et il a mis entre vous les liens d'affection et de tendresse, mm. c'est-à-dire de pitié. Mm, mm. Alors voilà là où on a institué. Donc dès l'institution du mariage, Allah a dit qu'il a créé de vous et pour vous. Ça veut dire que la responsabilité première incombe au mari. La femme et l'enfant né de ces, de ces mariages-là, ils sont défendus de travailler s'il s'agit de se nourrir ou de se procurer un besoin, c'est interdit en islam. Donc c'est à l'homme de le faire. Et là également, il y a un verset qui dit, et c'est de la sourate des femmes, n'est-ce pas Sourate les femmes, le verset 233, mhm. dans lequel Allah a dit que وعلى المولود وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ici dans ces versets là qui continue bien sûr qu'est-ce que Allah a dit Allah a dit que eh, eh au mari la charge mm. les vêtements eh, ce qu'ils vont manger ce qu'ils vont maintenir même entre les mains, même leur, richesse, parce qu'on dit, on dit que leur richesse et leurs mm-hmm. vêtements incombent au, père, de, la famille. Donc à l'homme il est interdit en islam qu'une femme et les enfants, jusqu'à un certain âge, mhm. de travailler pour se procurer certaines choses. Tant que les pères là, il est vivant. Mais comment situer les responsabilités des deux conjoints, que ce soit de l'homme et de la femme Quelle est donc la responsabilité de la femme dans le foyer La responsabilité de la femme, c'est de se positionner convenablement, de veiller sur ses biens à elle d'abord sa santé, l'engagement qu'ils ont pris, parce qu'il y a un engagement qu'on prend. Mm. L'islam a mis des garde-fous, il a dit que bon voilà, quand vous allez vous marier, d'abord il faut lui donner son droit. Mm. La femme peut même dire que voilà le prix de ma dot que je vais, et tu es ici, tu l'aimes de le donner. Mm, et ça, c'est un premier garde-fou qu'Allah a mis. Donc on ne prend pas une femme comme ça. Non, non, c'est et il a mis des témoins. Il faut que la société soit témoin que c'est sur la base d'un contrat mutuel. Hmm. Il faut le consentement d'abord, hmm. les sadak, les, donc la dot Il faut aussi les témoignages des anciens, hmm. c'est-à-dire un ancien du côté de la femme, un ancien du côté des, eh, ou un parent du côté des pères, n'est-ce pas Et des témoins, des témoins véridiques, c'est-à-dire équitables, qui sont justes. daccord Donc, regardez tous ces trucs-là. Maintenant, ça là, c'est pour que la femme sache que ça là, on l'a mis à ta disposition. C'est mm. pour te protéger, toi, la femme. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, dans ces cas-là, son rôle à elle, c'est d'appuyer le mari autant qu'elle peut. l'éducation des enfants. Avant même ça, de lui donner l'affection qu'il veut. N'est-ce pas mm-hmm. Donc, de se, comporter respectueuse. Et, et, je ne dis pas obéissante, mais quand même. Euh, donc euh, très, très, très euh, respectueuse. Quoi. Alors, avant de donner la parole euh, aux deux autres invités présents dans ce studio, je vous propose d'écouter le révérend pasteur Sani Nomo qui nous, qui nous donne des précisions sur ce que dit la religion chrétienne sur la responsabilité des conjoints. On l'écoute. D'abord, il faut noter que dans le christianisme, il est dit dans le psaume 127, verset 1, que si l'Éternel ne bâtit une maison, c'est qu'il la bâtisse, bâtissent en vain. Donc ça veut dire que un mariage, le mariage chrétien doit se baser euh, sur ce fondement. C'est-à-dire c'est Dieu qui bâtit la maison. Et si on n'est pas parti sur cette base-là, souvent les choses sont, je peux dire pas souvent que les choses sont, sont ratées. Il faudrait que ce soit l'éternel Dieu lui-même qui bâtit cette maison. Et d'abord, je note que une famille chrétienne ou la famille chrétienne, c'est la famille, là où l'homme, la femme et les enfants euh, s'aiment d'abord et craignent Dieu. Aujourd'hui, là où les choses souvent se ratent, quand on va dans le choix pour le mariage, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, souvent on pense qu'est-ce je vais recevoir de l'autre. Déjà, dès la base, dès le choix, l'objectif est raté, mhm. alors que aîné, c'est donné. Donc maintenant, dans la gestion de la famille, il y a les responsabilités. Nous, à l'Église, nous parlons de la complémentarité. Mhm. Euh, le monde aujourd'hui parle peut-être de la de l'égalité entre l'homme et la femme. C'est le débat d'actualité l'Église parle de la complémentarité dans les responsabilités. Qu'est-ce que c'est donc cette complémentarité La complémentarité, ça veut dire que l'homme et la femme, chacun a un rôle à jouer, et même les enfants, quand Dieu bénit euh, la famille ou bien quand il bénit le couple avec des enfants, chacun a un rôle à jouer qui lui appartient. L'homme a son rôle à jouer, la femme a son rôle à jouer, et aussi les enfants ont leur rôle à jouer le premier rôle que la parole de Dieu nous dit, l'homme, d'abord, il doit aimer. L'homme doit aimer sa femme. L'homme aussi doit respecter les parents de sa femme. L'homme doit aussi avoir confiance à sa femme. L'homme aussi doit se consacrer, se donner à sa femme et aussi demander en cas de besoin c'est-à-dire la femme aussi est là comme une consultante pour son mari. C'est-à-dire quand le mari va prendre des décisions, la femme doit y être associée aux décisions de la famille. Mais il faut noter une chose. L'homme, la Bible nous dit que l'homme est le chef de la famille. L'homme est le responsable la tête de la famille. Mm. Mais quand, on la parle, femme, euh, comment dirais-je, de gérer le foyer, et on parle aussi de, toutes les charges. Est-ce qu'il revient à l'homme de prendre toutes les charges ou bien la femme peut contribuer selon le christianisme La femme, la femme normalement dans une famille chrétienne, même les femmes, les femmes sont censées, sont censées participer, mais pas, à la gestion de la famille. Mm. Et c'est vrai que la responsabilité première incombe à l'homme de gérer ou de prendre soin de, sa famille. Donc, il doit aimer sa femme, il doit prendre soin de sa femme. S'il y a des enfants, il doit prendre soin de ses enfants, il doit les nourrir, il doit les habiller, il doit les éduquer, il doit leur donner aussi une bonne, euh, comment dirais-je, leur donner une bonne éducation mm-hmm. qui va aussi consister à les éduquer dans la crainte et aussi dans la crainte de Dieu. C'était là donc euh, le révérend pasteur euh, euh, Sani Nomowa sur la question. à l'entendre parler, il s'agit ici d'une complémentarité entre l'homme et la femme de la gestion du foyer. Alors, Monsieur Alouaye, vous êtes sociologue. après écoute de toutes ces interventions, vous, quelle perception, quelle lecture sociologique doit-on faire de la responsabilité au sein d'un foyer Merci Nafissa. je pense bien que et si on devrait faire une analyse mhm. dans le fond du concept de la responsabilité dans le foyer, euh, il faut se dire qu'il y a plusieurs niveaux. Mhm. Et en tout cas, le niveau le plus apparent, socialement et culturellement parlant, est celui de la responsabilité qui incombe à l'homme. Mhm. Il est le premier répondant du foyer, mhm. il a le titre de chef de foyer. Oui, oui, chef de foyer. Celui qui est appelé à piloter le foyer, mhm. parce que dans chaque groupe social, il faut forcément qu'il y ait un responsable. Un noyau, aussi, on peut le dire. Merci. Mhm. Et la cellule familiale fait partie de ce qu'on appelle le groupe social. Par conséquent, il fallait qu'il y ait un responsable. Et c'est responsable, la société, d'une manière globale, d'une manière unanime, à accepter qu'il soit l'homme. Je disais apparent parce que dans le fond, la femme, elle est cachée, mais elle joue un rôle extrêmement important dans la gestion du foyer. Mm-hmm. Et quel est ce rôle d'ailleurs Ce rôle, est euh, avant peut-être de le dire, il me plaît de rappeler un adage qui dit tout ce que la barbe du au cours de la journée, c'est la tresse qui lui a murmuré dans la nuit. <laughs> Autrement, il n'y a pas un homme derrière lequel il n'y a pas une femme qui l'influence. <laughs> Qu'elle soit femme mère, qu'elle soit femme épouse, <laughs> qu'elle soit femme fille, qu'elle soit femme sœur. Donc pour dire, dans la répartition de la gestion du foyer, l'homme, il a ce qu'on appelle la charge de la recherche de la subsistance mhm. qui doit assurer la quiétude et la gestion du foyer. Et la femme, elle a pour rôle primordial celui de la transformation de cette subsistance en une véritable nourriture pour gérer le foyer. Mhm. Donc elle a son rôle à jouer également. Elle a son rôle à jouer et c'est pourquoi, quelque part, dans le fond, si on pousse, on voit beaucoup plus une sorte de complémentarité. Parce que chacun d'entre eux ne peut assurer à lui seul la charge dévolue à un foyer si l'autre n'est pas là. Du moins où l'autre a un apport, donc on va parler beaucoup plus d'une certaine complémentarité mhm. dans la gestion du foyer. Et cette complémentarité, on la voit à chaque instant, surtout par rapport à l'éducation la gestion ou l'éducation des enfants incombe d'ailleurs beaucoup plus à la femme qu'à l'homme. Du moment où c'est la femme qui a beaucoup plus euh, de disponibilité mhm. pour écouter les enfants, mhm. qui a beaucoup plus d'affection vis-à-vis de ses enfants pour les transmettre les valeurs de la société, mais qui également est beaucoup plus regardante par rapport à ça. Mhm. L'homme, lui, il intervient en termes d'autorité parentale, pour tracer les limites mhm. de cette éducation, les barrières à ne pas franchir, mhm. et à la femme, mais également aux enfants. Donc on voit très bien ici cette notion d'équilibre. Mais également, comme je l'avais développé au début, en termes de la gestion par rapport à la subsistance, mhm. également, il y a cet équilibre, il y a cet équilibre du monde. Puisque l'homme, il sort, il cherche, il est euh, plus apte à affronter les aléas de la vie chercher la subsistance, mais une fois au foyer, c'est à la femme qui transforme cette subsistance, pour que les enfants en bénéficient. effectivement. Et comment, je ne sais pas, quelle analyse vous faites de la situation actuelle dans nos sociétés, de la manière dont les foyers sont gérés euh, Malheureusement, euh, nous sommes en, déperdition, hein, si on doit le dire dans le fond. Nous sommes en déperdition en termes de gestion de mm. notre foyer. Mm-hmm. Parce que et l'homme et la femme nous sommes en train de démissionner par rapport à chacun à son rôle régalé, mhm. malheureusement. parce Parce qu'un foyer, c'est d'abord le deux piliers là. Mhm, mhm. Tant que l'homme n'assure pas sa tâche, la femme non plus, on ne parlera plus d'un foyer. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui que vous êtes en train de voir les enfants dans la rue, vous êtes en train de voir une mauvaise gestion en termes de, de, de foyer. Tout simplement parce que quelque part, nous sommes en train de démissionner par rapport à à chacun son rôle. Merci. Alors, euh, Chambiano, euh, vous, êtes aussi sociologue et vous représentez l'ONG Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales. Euh, de votre côté, quelle perception vraiment vous, vous avez de cette question de responsabilité des conjoints dans un foyer En fait, j'apprécie beaucoup tout ce qu'ils ont exposé mhm. comme idée. Il faut l'équilibre, il faut l'affection, il faut cette complémentarité-là cet équilibre-là, c'est vraiment un atout. Mhm. Mais seulement la question, par exemple, en tant que gestionnaire de cas, moi, la perception que je fais, qu'est-ce qui fait la détérioration de ces, de, ces foyers-là de nos jours mhm. En réalité, c'est des facteurs. Pour moi, c'est des facteurs qui favorisent. Quels sont ces facteurs-là Des facteurs-là sont, par exemple, premièrement, il faut regarder d'abord la cartographie avant, il y avait les, sociétés n'étaient pas aussi évoluées et il y avait cette euh, solidarité mm, mm, mm. qui existait. Le respect des règles de conduite. Je sais que ce n'était pas du tout facile. Mais de nos jours, on a l'impression que quelque part, de manière macro, les moyens de subsistance aujourd'hui quel est, quel est le niveau de revenu, par exemple, pour un responsable de famille Un père de famille. Un père de famille. Mm. Quel est aujourd'hui le coût qu'il faut payer, par exemple, quand on a une personne qui est malade mm, mm, En termes de déplacement. Donc, c'est des charges que, de nos jours, la femme et l'homme à lui seul ne peut plus gérer. Donc vous voulez dire que les charges sont vraiment énormes pour la, pour l'homme au point où il ne pourra plus arriver à comment dirais-je remplir pleinement ses, rôles. Ses rôles. Parce que quelque part, en dehors de, ces charges économiques, il faut aussi reconnaître que, de manière macro, l'État même qui est censé réguler certains situation ne tient plus compte. Mm-hmm. Il y a cette défaillance-là d'abord. Mm-hmm. Le respect, par exemple, de, de, la caisse pour l'homme, pour pouvoir favoriser sa famille. Au fait, le non-contrôle, par exemple, de, la grille salariale mm-hmm. de certaines personnes, cela veut dire que quelque part, ça détériore l'éducation des enfants. Oui. Selon vous, euh, la femme, euh, vraiment, elle a aussi euh, le droit de participer à la gérance de ce foyer oui, elle a le droit de participer parce qu'il faut tenir compte que l'être humain, il est évolutif dans le temps et dans l'espace. Mhm. La femme, avant, ne partait pas à l'école. À un moment donné, elle a eu cette chance-là de participer, d'aller à l'école. Mhm. Elle a eu à acquérir de nouvelles connaissances. Maintenant, en dehors de, de, de l'alphabétisation, elle est en train de s'y spécialiser. Et directement ou indirectement, elle est en train de contribuer aussi au foyer. Souvent, par exemple, c'est ce pouvoir-là que les hommes ne veulent pas perdre. Alors, euh, Oustaz euh, Mustafa, comme l'a dit euh, Chambiano, souvent il arrive que les revenus de l'homme ne soient pas assez suffisants pour vraiment prendre tout en charge dans un foyer. Et on constate que dans certains foyers, lorsque la femme a aussi des revenus, elle peut prendre certaines charges du foyer. Mais est-ce que réellement l'islam autorise cela Si c'est de son propre gré, c'est une très bonne chose parce que c'est ça, effectivement, Rahma, donc mm. l'affection et la tendresse. C'est mutuel, hein, c'est des trucs parce que mm. c'est tu aimes, tu es venu avec lui. C'est pas, c'est pas chose. Donc, si on comprend, euh, la femme peut bel et bien contribuer de son plein gré. on ne doit lui imposer aucune charge. Mais, mais, madame, je, je, vous renvoie à la question sans <laughs> être journaliste. Mhm. Euh, mais vous vous êtes entendu. Euh, euh, c'est suite à l'amour. <laughs> D'abord, on dit le consentement. Mhm, mhm, tu l'aimes, lui, là, là regarde-les bien, tu l'aimes. tu regardes donc, c'est avec sourire que tu acceptes les choses. Alors, que <laughs> c'est des, c'est des, des, propres choses. Uh-huh. C'est pourquoi on, on cherche effectivement le, euh, euh, le consentement. Mhm. L'islam exige le consentement. Mhm. Mhm. Parce que en ce moment-là, on ne peut rien se refuser. elle, elle, sait la capacité de son mari. Même si il elle peut lui mettre ça euh, crédit, mais elle ne le fait pas. <laughs> oui, oui, elle peut, lui mettre ça, elle peut mettre ça crédit, mais elle ne peut pas le faire. Merci. Alors, vous, à Louaye, la femme, elle peut bel et bien contribuer sans qu'on ne lui impose aucune charge. Mais comment vraiment responsabiliser chacun des conjoints envers eux-mêmes et leurs enfants euh, Je pense que c'est une organisation. Le foyer doit être d'abord et avant tout une organisation. Une organisation dans laquelle il faut une planification. Mhm. Et non seulement en termes de rôle, il faut structurer, mhm. il faut d'un commun accord que chaque foyer se gère en fonction des tâches qu'il a, mhm. en fonction des objectifs qu'il s'est fixés et surtout en fonction du devenir qu'on enseigne ou qu'on assigne mhm. aux enfants. En fonction de ça, eh bien, il faudrait véritablement planifier, organiser. Voici des tâches mhm. que toi, tu peux décider volontairement en tant que femme de me Parce que, euh, comme euh, les autres l'ont dit, de plus en plus, la situation euh, en tout cas, euh, la situation euh, économique des hommes est en train de se restreindre, mhm. du point où il est difficile aujourd'hui de pouvoir prendre à lui seul la charge entière mhm. de la famille. Mhm. Et c'est pourquoi à chaque instant que la femme a cette capacité de pouvoir aider, elle le fait hein, d'une manière générale, vraiment avec plaisir et du bénévolat. Nos mamans qui n'ont même pas été à l'école l'ont toujours fait. à euh, combien de reprises l'enfant court pour venir vers sa maman, si elle prend, elle donne. de qu'elle a, elle paye, elle, amène. elle se débrouille avec les activités génératrices, de revenus, mais elle contribue énormément dans la gestion du foyer. Mm, mm, mm. Donc je pense bien qu'aujourd'hui, le monde est en train de libérer la femme vers cette autonomisation, vers cette capacité à produire au même pied que l'homme, et eh bien la femme également doit avoir ce regard-là. Mhm. Je pense que c'est déjà, euh, le plus souvent, c'est naturel, hein. ne serait-ce de subvenir aux besoins de ses enfants, mhm. mais mieux parfois à des tâches qui reviennent à l'homme. La femme contribue énormément dans la gestion du foyer. Alors avant de poursuivre, nous avons également voulu savoir ce que la loi nigérienne dit sur cette euh, question. À cet effet, nous avons interviewé euh, Monsieur M. Hassan Amouni, il est juriste. On l'écoute. Le foyer dont il est question, celui résultant nécessairement du mariage, puisque notre droit positif ne reconnaît que l'institution du mariage. Les autres formes d'union telles que le concubinage euh, et le pax n'étant pas reconnues. La seconde précision, c'est de dire que notre droit positif euh, nous accorde la faculté de célébrer notre mariage selon la coutume ou selon les règles du droit civil ce qui signifie concrètement qu'il n'y a pas qu'une seule loi applicable au mariage. Et la troisième précision qui est importante d'apporter, c'est de dire qu'au Niger, le mariage met forcément en présence un homme et une femme. Et c'est en vue de pacifier les rapports conjugaux entre l'homme et la femme, entre le mari et son épouse, que le législateur a édicté un certain nombre de règles qui auront vocation à s'appliquer. Maintenant, la question de la responsabilité euh, de la personne qui doit gérer les charges du ménage ne se pose pas si le mariage est célébré selon, le, euh, selon la coutume. Il est bien vrai à ce niveau qu'il existe une pluralité de coutumes au Niger, même s'il faut relever également qu'elles sont toutes largement influencées par l'islam ce qui rend applicable dans une certaine mesure le droit musulman. Et en droit musulman, nous savons tous que le mari étant chef de la famille, il assume pleinement et entièrement les charges du ménage. Maintenant, en ce qui concerne le mariage célébré selon les règles du Code civil, le principe est pratiquement le même, puisque le Code civil a réglé de façon claire et précise les droits et devoirs des époux. Ainsi, l'article 213 du Code civil énonce d'une manière non équivoque que le mari est le chef de la famille. Plus loin, il rajoute que cette fonction de chef de la famille est exercée dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. Ce qui veut dire que, dans une certaine mesure, cette responsabilité n'a de sens et de légitimité que, que si le mari tient compte de l'intérêt de la femme et de la famille dans ses actions et ses prises de décision. Euh, mais cela ne fait pas non plus de la femme un partenaire sans rôle ou sans responsabilité. Puisque le même article dispose que la femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à pouvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement. Cela me laisse dire que cette responsabilité est assumée conjointement entre l'homme et la femme. Plus loin, cette disposition, c'est-à-dire l'article 213, termine en accordant à la femme la responsabilité de remplacer son mari en cas d'indisponibilité, c'est-à-dire lorsqu'il serait hors d'état de manifester sa volonté à raison soit de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause. Maintenant, une fois qu'on aura déterminé le mariage célébré selon les règles du Code civil, il est plus facile d'indiquer avec précision l'étendue de cette responsabilité. Alors, le mariage étant un contrat, je vais relever à ce niveau qu'il est loisible aux époux de fixer dans leur contrat de mariage la participation de chacun d'eux aux charges du ménage. Et même si le contrat de mariage ne contient aucune précision sur leur contribution aux décharge, charges, L'article 214 du Code civil dit qu'ils y procéderont en proportion de leurs facultés respectives, ce qui nous laisse penser qu'ils devront s'asseoir à nouveau et répartir les charges en fonction de la capacité de chacun. Je suis tenté de dire à ce niveau que très souvent une telle démarche présente l'inconvénient d'éprouver l'amour ou la solidité du couple. Et concrètement, le Code civil en son article 214 fait peser sur l'homme l'obligation d'assumer à titre principal les charges du mariage. La même disposition poursuit en disant que le mari est de l'obligation de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie selon ses facultés et son état. Et s'il s'y refuse, il pourra être contraint par sa femme suivant les règles, les voies de droit. C'était là donc euh, euh, le juriste Hassan Momouni euh, qui parle donc de cette responsabilité, des obligations de l'homme envers sa famille, que ce soit la femme, les enfants. Et, à travers son intervention, on a compris qu'il y a aussi des voies de recours en cas où une des obligations n'est pas assez remplie. Et justement, lorsqu'on parle de cette responsabilité, c'est toujours l'homme qu'on voit en première ligne. Et souvent, son rôle de chef de famille est autoritaire ou bien hautain envers la femme et les enfants, ceux qui conduisent ces, femmes et ces enfants à subir certaines violences, euh, mauvais traitements. Vous, au niveau de, euh, de l'ONG FEV, euh, quels sont donc les cas de violence familiale que vous recevez sur ce genre de situation Nous recevons des cas d'abandon de, famille, mhm. de violence physique, violence psychologique aussi. Mhm. Exercer sur la femme Sur la femme et les enfants. Mhm. Et donc, comment vous prenez en charge euh, ces situations en réalité, la première des, des, choses que nous faisons si une survivante se présente au niveau de l'ONG, d'abord c'est l'accueil. Mhm. Nous pensons que si une personne est dans une situation eh, délicate de violence ou de, traumatisme, l'accueil facilite l'échange. Mhm. Après l'accueil, maintenant, il y a l'assistante sociale qui, qui, la met en sécurité mhm. dans une salle où il n'y a pas d'autres personnes, où elle peut se sentir libre de, parler. Mhm. La survivante est écoutée par euh, l'assistante sociale mhm. qui, en retour, si elle voit que cette personne-là a besoin d'une prise en charge euh, psychologique aussi, on la réfère à un, psychologue. Parfois aussi, nous, si nous trouvons, parce que directement, nous, nous ne disons pas aux survivantes quoi faire d'abord sans mhm. pour autant évaluer mhm. les cas. Et est-ce que vous recevez autant de cas euh, Avez-vous des chiffres à l'appui Oui, nous avons beaucoup de cas, mais je, n'ai pas ces chiffres-là à côté, mhm. mais j'aurais bien pu vous donner. Sinon, à moins, par exemple, euh, nous recevons par jour 5 euh, voire 10 cas. Et il faut reconnaître aussi, en dehors de ça, souvent, il y a des périodes dans lesquelles ça augmente. Si vous mhm. prenez le cas de la situation de, de, la COVID-19. le, confinement. Le confinement, mhm. voilà. OK. Mhm. Alors, euh, Oustaz euh, Mustafa, comme euh, vous l'avez dit, la responsabilité première de gérer un foyer revient à l'homme. Et comme on l'a un peu entendu à travers l'intervention de l'ONG FEV, le représentant de l'ONG FEV, souvent, certaines discussions arrivent à des, des violences, que ce soit sur la femme, sur l'enfant. que dit l'islam de lui cas où l'homme euh, ne remplit pas pleinement une de ses obligations et, c'est par rapport à la démission de l'homme, mhm. ou un problème quelconque, en tout cas entre euh, l'homme et sa, et sa femme, parce qu'il y a un verset du Saint-Coran, sinon euh, deux, à, deux, trois versets, et de la sourate Les femmes, toujours, donc, qui disait que les, les hommes on supporte le plus gros poids hmm. euh, dans les foyers que les femmes. Pourquoi Parce que toutes les dépenses leur compte Absolument toutes les dépenses. Et on dit en cas de... Il n'y ben, a, pas qu'il y a pas que les moyens matériels qui font, qui font la joie. Il hmm. y a aussi un certain nombre de choses qui, quand vous les refusez à une femme, il va de soi à que vous n'allez pas vous entendre. Hmm. C'est pourquoi l'autre verset a parlé de l'affection, de tendresse, de donc de l'amour. De... Donc euh, ça, c'est des intimités que une femme ne, va jamais vous pardonner si vous la refusez au mhm. moment où elle, elle désire ça. Mhm. Il y a plusieurs cas qui peuvent venir et qui peuvent amener, par exemple, une, mésentente entre les choses. Mhm. Mais ici, je, vous, je reviens au garde-fou que Allah a mis. Et dans ce même verset, il dit que si vous craignez la mésentente ou le conflit entre les deux là, alors envoyez Hakaman, un un arbitre de, la famille de l'homme et un arbitre de la famille de la femme. Mhm. Et de préférence, ceux qui sont témoins de sur quoi est-ce qu'ils se sont mariés mhm, mhm. pour aller régler le problème. Maintenant, vient aussi, il y a d'autres garde-fous, les, les, les, les, les sociologues, les magistrats, les juges, l'alcali, tout ça. Donc, ils devraient intervenir pour sauver, pour sauver les liens de mariage pour faire la conciliation. La conciliation, elle est même évoquée dans ces versets. Mhm. Donc, il faut qu'il y ait les acteurs. Les acteurs donc du mariage sont choses. Il y a plusieurs mécanismes, même sans acteurs là, même en absence des choses là. Il y a la répudiation. Mhm. Par exemple, tu peux la punir, avec elle, même tu lui tournes le dos. Mhm, pour, pour la punir, sans, sans, sans même faire la violence. Ou bien, ce que tu à l'habitude de le faire là. Mhm. Tu diminues ou tu ne fais pas. Mhm. C'est pas la violence en tant qu'être Quoi. Il y a plusieurs étapes qu'il faut faire pour mhm. éviter qu'on aille à un niveau. C'est ça que l'islam a prévu par rapport à ces genre de choses. Mais quand ça, quand ça surgit là, ce sont les responsables dont vous, vous avez d'estime Par exemple, un parent de son côté. Il peut venir intervenir, oui, oui. Pour, pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe mhm, mhm. n'a pas besoin donc d'aller, qu'elle quitte le foyer pour aller chercher le règlement des choses chez ses parents ou chez les juges ou chez l'association. Mhm. C'est dans le foyer qu'on régler les choses. Oui, Chambiano, vous voulez ajouter quelque chose je souhaiterais ajouter. Et il faut reconnaître qu'il y a aussi un facteur qui, qui rend difficile. Il y a cette démission-là de ceux qui, sont, qui ont été témoins lors du mariage. Mhm. Souvent, il y a des cas de décès. Ces personnes-là ne peuvent plus revenir pour mhm. concilier. Il y a la démission, il y a la complicité de la société aussi. Mhm. Quand il y a des litiges, souvent c'est favorisé même par des membres de famille. C'est des, des, cas sociaux souvent qui détériorent cette relation d'affection, d'amour, de complémentarité. Parce que cette complicité de la société, là, souvent, qui voit certaines violences et qui n'arrive pas à faire résonner, ça rend difficile le, le, le, maintien de ces mhm. liens-là. Mhm. D'accord. Le souci, hein, sans, créer la polémique, le souci ici, c'est réglé. Je n'ai pas cité toutes les choses. Mhm. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de Gadoufou qui euh, a mis, que l'islam a mis. Il y a ce qu'on appelle les pliés. D'accord. les choses. Alors, oui, hein. oui, alors vous, euh, Alou de votre côté, euh, lorsqu'il y a mise en euh, on ne peut pas ne pas parler de conséquences euh, sur la société. Quelles conséquences lorsque le foyer n'est pas bien géré eh, Merci. Lorsque le foyer n'est pas bien géré, eh, généralement, les conséquences sont énormes dans la vie de la société. Parce que le foyer, quoi qu'on dit, c'est le premier noyau de la cellule familiale, mm-hmm. de, la société, si vous voulez. Et, tant qu'il est déstabilisé, eh bien, les répercussions sont immédiates sur la société ou la communauté d'une manière globale. Parce que c'est à l'intérieur du foyer d'abord qu'on donne l'éducation des bases. Mm-hmm. À tous tant que nous sommes, nous ne sommes que le reflet oui. du bien vouloir de nos parents là à la base, qui ont voulu nous nous éduquer en nous transmettant un certain nombre de valeurs sur lesquelles nous avons mhm. grandi. Eh bien, lorsque malheureusement euh, il y a des déchirures, je vais vous donner euh, le résultat d'une étude euh, qui a été diligentée dans les années 2000 aux États-Unis. Et cette étude dit que l'enfant qui grandit en prison avec son père et sa mère a toutes les chances de réussite sociale mhm. qu'un enfant qui grandit dans une cellule, hors, euh, dans, dans, un foyer, avec des parents qui sont en rupture. Mhm, mhm. Autrement, lorsqu'il y a divorce ou il y a conflit permanent, l'enfant là, il est déstabilisé psychologiquement, il est déstabilisé socialement et il ne pourra pas demain malheureusement transmettre un certain nombre de choses. Parce que l'enfant, ne peut donner que ce qu'il a reçu. Ça, c'est des, éléments qui font aujourd'hui. Il faut voir un certain nombre de comportements que nos enfants ou nos adolescents adoptent. Il faut, on va s'interroger où est-ce qu'ils les ont eus. C'est la conséquence, oui. Merci, c'est la conséquence parfois de conflits permanents dans lesquels ils ont évolué. Mm-hmm. Lorsque l'enfant n'a pas bénéficié de l'affection, il ne pourra jamais donner de l'affection. Alors justement, sur quoi vraiment les deux conjoints doivent mettre l'accent euh, pour le bien-être de leur famille Moi, je pense que c'est l'intérêt commun. Vous savez, dans chaque groupe social, il y a l'intérêt collectif mhm. commun et il y a les intérêts particuliers et spécifiques. Lorsque on ne privilégie pas l'intérêt collectif, ici dans un foyer, l'intérêt collectif doit être la bonne gestion, mhm. le devenir de nos enfants. Lorsque on ne le privilégie pas, mhm. chacun va essayer de privilégier ses intérêts particuliers, il y aura forcément rupture, il y aura forcément déchirure et il y aura conflit. Et à partir du moment où il y aura conflit, c'est la cellule familiale qui, sera déstabilisée malheureusement. Alors pour terminer avec vous, euh, Monsieur Chambiano, que euh, doit vraiment faire le chef de famille pour le bien-être de sa famille Moi, je pense que c'est ce que le chef de famille doit faire, c'est d'écouter, parce qu'en écoutant, on comprend. Et quand on comprend, on répond bien. Aujourd'hui, ils doivent, au lieu de faire recours à la violence, oui, à la violence, peu importe la nature, qu'elle soit physique ou psychologique, moi, je pense que c'est de primer d'abord la valeur humaine. Qu'est-ce que chaque être humain qui fait partie de sa famille mhm. a besoin pour s'épanouir Parce que parfois, ce n'est pas ce que nous voulions, mais les autres membres de notre famille ne peuvent devenir que ce qu'ils peuvent devenir. Merci bien. Euh, alors, Oustaz Mustafa, pour finir, euh, vraiment, euh, que dire vraiment à ses conjoints, aux deux conjoints, pour qu'ils puissent situent leurs responsabilités dans le bien-être de leur famille vous savez, on est sympa pour, pour, pour se bagarrer quand même, c'est pas, c'est pas chose. Et dans ces situations-là, je finirai là. Allah a descendu un verset qui dit que asa lakum wa euh, lakum Le plus souvent vous détestez quelque chose à mort, mhm. c'est votre bien qui est là-dedans. Mhm. Et le plus souvent vous aimez quelque chose à mort, c'est votre mal qui est là-dedans. Et c'est ici donc euh, que se <laughs> referme le forum de ce jour sur le thème à qui incombe la responsabilité de gérer le foyer à travers les interventions de nos invités. La première responsabilité revient donc à l'homme, mais la femme aussi a sa part de responsabilité. Il faut juste savoir sutiller cette responsabilité et mettre en avant l'intérêt commun, celui de la bonne gestion de la famille et le devenir des enfants. Merci à nos, invités, Monsieur euh, Alou Aye, sociologue, merci d'être venu. Oustaz Mustafa Ahmadou, président de l'association islamique Fauzia, merci à vous également d'être venu. Et Monsieur Chambiano Aristide, il est le représentant de l'ONG Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales, merci d'être venu. La modération, je suis Nafisa Adam Sirfo. La technique est assurée par Moustapha Ayuba. À très bientôt sur le studio Kalangu. Au revoir.